ci waaxinaan nimzaat yenn ndaw ñi nga xam ne ñoo fare ci APR ñoom de nee nañ kii di Mamadou Yaya Ba nekkatul seen coordonnateur ndax moom mag la ñu di fi teg ñu wax Aliou Dia waaxinaan nimzaat nag responsable jeune yëpp fa nekk ñoo daje tey jii di Aliou Dia def ko lu nouveau coordonnateur de la commune de waaxinaan nimzaat Aliou Dia moom bu mu jotee jël kàddu jot la xam ne ne kii di Racine Talla mooy candidat ndaw seen parti ci élection bokk moomeel yi di ñëw te di wax fii lan la nama def ndaw parti bi

ñëw kàddu yooyu nag ñu ngi ko yëkkati gannaaw bi nga xam ne ndaw APR yi nekk ci gox boobu dañ doon amal benn ndaje bu mag. Wakina Nimiza, des jeunes de l'Alliance pour la République destituent leur coordonnateur Mamoudou Yayaba, atteint par la limite d'âge, au profit d'Aloudia. Aujourd'hui, l'ensemble des jeunes responsables de la commune est ensemble à l'unanimité. Et sur ce, l'ensemble des responsables des jeunes ont pris une forte décision euh, dédiée uniquement à l'installation de notre camarade et ami Alundia, qui est le nouveau coordinateur de la commune de Wakina Nimza, des jeunes de la PR. Ce dernier, qui a déjà investi Racine Tala comme le candidat de la COGER à la candidature de Beno Bokoyakar aux prochaines élections municipales, décline ici ses priorités. Je m'en réjouis euh, de cette nomination. Nous sommes là pour la massification du parti. Donc il est important qu'à un moment donné, de faire bouger les choses. Dès la semaine prochaine, nous allons organiser euh, une rencontre pour la composition du bureau, mais aussi faire de telle sorte que dans chaque zone, il y ait des représentants au niveau des jeunes dans la COGER, qui va nous permettre de faire une feuille de route pour mieux préparer euh, les élections locales nous savons que c'est très important dans le dispositif électoral ici à Wakanan C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, dès à présent, de commencer à massifier, à s'impliquer davantage les jeunes et aussi quelle serait leur place au niveau du conseil municipal. Le maire de Wakinan Nimizar, Racine Tala, de son côté, qui garde l'espoir d'être choisi par le président de Beno Bokoyakar, a appelé ses camarades à l'unité et aux opposants de venir soutenir sa coalition pour l'intérêt supérieur de leur commune. J'ai accepté cet honneur avec énormément de plaisir. Tous les camarades de parti et tous les camarades alliés d'autres partis, d'autres mouvements de la société civile ont déjà pris contact avec nous et n'attendent que le couvert du président. Et vous serez étonnés, Inch'Allah, de voir même des membres de partis de l'opposition, de la coalition de l'opposition, venir nous rejoindre parce que nous sommes les seuls gages, n'est-ce pas, d'une victoire, d'une liste victorieuse ces propos ont été étalés au cours d'une assemblée générale de certains jeunes de la paire de cette localité.